Ce que je peux dire maintenant, puisque Dieu merci, les élections se sont bien déroulées dans le calme et la sérénité, et que nous avons et que nous savons qu'il y aura un deuxième tour pour l'élection présidentielle. Nous appelons à la cohésion nationale et à des élections apaisées.